bonsoir et bienvenue sur votre émission des jeunes Niger, plus de 38% des femmes victimes de violences basées sur le genre. En 2021, titré un article de l'ANP le 26 octobre dernier. Et ça, c'est une étude euh, menée par euh, le ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, ministre de Kyokulada Chigaban Mata da kariyar yara duk da yakin da ake yi bisa kan musguna wanda ake ma mata da ɗiya mata har yanzu abubuwan dai ya taɓarɓarewa suke bisa abin da ya shafi musguna wanda ake ma ɗiya mata har da arme da ake ma 'yan ƙanƙanan yara wannan ma an sa shi ciki Sabilou Wannan, un symposium réunissant les différents chefs traditionnels du Niger a eu lieu du 22 au 23 novembre 2021 à Niamey et plusieurs engagements ont été pris. Chicken manya-manyan matakan da aka ɗauka har da hana wadda aka ma sarakai arman ɗiya mata wanda ba su kai ba shekara goma sha takwas an hana su arman wannan ɗiya matan 'yan kankana kurai gwamnati na iyakan ƙoƙarinta amma har yanzu da kingi Nous profitons de ces jours d'activisme contre les violences basées euh, sur le genre. pour rencontrer des structures de jeunes filles pour en savoir plus sur les caractéristiques des VGB au Niger. Nous avons posé la fada à Guntiena en plein centre-ville de la capitale pour mieux papoter avec nos invités. Musique, rubrique et chronique seront également en de la partie. Comme invité sur cette émission, nous avons Wassila Ibrahim de l'AJFSN, Association des jeunes filles pour la santé de la reproduction. Ça va Wassila Ça va très bien, merci vous. Alhamdulillah. Nous avons avec nous euh, Ousseini et les jeunes scouts. Ça va, Kodiga Tu vas bien La lutte continue. <laughs> T'es fatigué, hein J'ai fait la garde, hein. je suis descendue, je suis directement venue. Ouais, là, il faut que tu puises encore un peu d'énergie sur la fada et dire tout ce qu'il faut. Nous sommes avec Garba Abdou Adama de la cellule nigérienne des jeunes filles ludeurs. Ça va bonjour, ça va. Tu vas bien, Adama Merci, ça va. Nous avons Sheikh Bachir avec nous. Il va nous donner euh, le point de vue. Qu'est-ce que l'islam dit par rapport à toutes ces questions et par rapport à tous ces chiffres qui ne cessent d'augmenter d'année en année, nous aurons son point de vue euh, religieux. Voilà. Soyez le bienvenu sur tout Salafada. Pour rappel, il existe plusieurs types de violences, notamment les violences culturelles. Les violences économiques et j'en passe. Selon vous, quelles sont les formes de violences les plus courantes à Niger alors, dans un premier temps, moi, ce que je dirais, c'est que euh, quand on parle de violence basée sur le genre, il faut d'abord noter que il n'est pas seulement question des jeunes filles et des femmes, mais aussi des hommes. Même si c'est la plupart du temps, ce n'est pas dit très haut. Mais bon, ce qui est beaucoup plus connu, ce sont les violences basées sur le genre concernant les jeunes filles et les femmes. Parce que elles, leur violence est visible, on le voit. C'est vraiment corporel. Alors que pour les hommes, c'est beaucoup plus la violence psychologique et morale. Ça, c'est encore plus fréquent. La violence euh, sur euh, l'état physique, c'est la plupart du temps dans les zones reculées, les villages, et même ici, dans, dans la zone urbaine. C'est vraiment flagrant, mais ça se hmm. voit. ok to kenan ke a ganin ki ba mata kaɗai bane ake musguna za ma ana musguna musu amma su ba sa gayi na matan an gai kuma su ne ake taɓa lahiyar jikinsu ok to yanzu zan shiga tambaya ta ta biyu mine ne tushen wannan duka yawancin musgunawar da ake gani wajen mata a ganin ku mine ne tushen shi daga ina ne wannan abin ya hito zan zo wajen ki arama gaya min eh donc l'origine de ces VBG c'est surtout l'ignorance nous méconnaissons nos textes nous méconnaissons nos droits, nous méconnaissons concrètement l'apport que nous avons à apporter au sein de la communauté. Quand tu me connais tes droits, tu me connais tes devoirs, c'est normal que tu vas droit vers le noir, le vide. Jahil Tine, babban matsalamu jahil Tine, jahil Tine ka cewa ah namiji ya kamata e karatu, mace ta zamna gida. Jahil Tine ka ah kulu yanzu da sangaba gaba da wata wata mijinta ba ta kashi ya kore ta repudiation cewa a ita batta aihuwa mai sai ɗiya mata in ba jahilci ba eske mutum yana kawo kan shi a baki aihuwa min sai diya mata kwashi kayan ki ta gidanku na haramta ki donc vraiment c'est l'ignorance or si les gens savaient c'est l'homme même qui détermine le sexe de l'enfant vraiment ni babban matsala da ya kawo duka wannan abubuwan na cin zarafi shine jahilci Mm. jahilci babba ba mu san musulunci ma da muke cewa mu musulmai ne ba mu karance shi ba balle mu gane mi yake nuhi musulunci muna ɗauka ayar da take gyara mu sai mu yi aiki da ita ayar da ba ta gyara mu tana ayar da ke cewa kai ga hakkin ka shi eh. ba mu biya shi mai ayar da ke cewa ga abun da ya kamata wane ya mini ustaz zan da ka to ka shi da yanzu wannan misalin da ta bamu wannan musguna da ake yi to wai menene musulunci ya ce bisa kan zamantakewar kamar abun da ke iya kawo kawo irin wannan tashi hankalin shi maudu'i na muzantawa an riga an ce ya shahi namiji ya shahi mace amma ya shahi yara ma tunda shi yaran wannan menene kamar diya mace da muke cewa arme kamar yadda shugaban kasa ya magana ya kira ya ce saraki su dauki kuduri kan cewa ba za su armi yarinya ba wadda take bata shekara goma sha takwas ba ai saboda ita yarinya ce bata kai ba lokacin zan komo da haran hara akan muzantawa ita muzantawa aka ji ba cikin hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam za mu gani kan cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar haka kullul muslim al muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu in ka dauki wannan hadisi za gani violence iri uku ce annabi ya magana kanta yace dukkan musulmi a game da musulmi haram ne jinin shi haram ne a gare shi kenan kai ji mai ciwo kai kashe shi irduhu mutuncin shi haram ne a gare shi maluhu duke shi eh, haram ce a gare shi kin gani an samu anan violence physique an samu eh, moral an samu psychologique an samu material to kun gani duka wannan kina abu ne wanda ma aiki sallallahu alaihi wasallam hana mais malheureusement tel qu'elle a dit la méconnaissance du texte n'est-ce pas L'ignorance du texte et surtout euh, l'extrémisme violent que les gens en font, font, ils font un préjugé abinda musulunci ke ce arman ma la première chose qu'il faut voir c'est la morale et la religion mais n'importe qui qui vient un pauvre étudiant qui vient qui a la morale et la religion tu refuses de lui faire marier ta fille mais quand un riche vient tu t'en fous peut-être qu'il a même divorcé plus de 20, filles et toi tu viens tu dis que cet homme là que vous voulez c'est ça le critère du mariage en islam c'est la religion et la moralité hmm. qui perd la religion et la moralité n'a pas le droit d'être marié sinon et si quelqu'un se présente à vous a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à comment Si vous ne le faites pas, ça serait un désastre sur la terre. Et ce qu'on ah. vit aujourd'hui, un désastre. Hein. Violenter la fille, violenter l'enfant, avoir des enfants dans la rue, avoir des enfants déscolarisés, avoir Beaucoup de divorces, oui. Voilà. Muslim, in mun gane menene musulunci ban mu shan wahala duk wannan muzantawa da zamantakayya ta arme jahilci ne da rashin sanin addini da kuma tsatsauran ra'ayi mutane suna tsatsauran ra'ayi da ki komi aka ce Allah ya ce a su in ba abin da su suka gada dama ba suka gane addini eh. haka ne shi kuma addini baka ce ni na gane amma abin da Allah da annabi ya ce to yanzu za ni zuwa wajen Scott Kadiga yanzu dai inda muka zo ma wata wasu shagulgula ne kuke nan gai dans le cadre de 16 jours d'activisme que je rappelle euh, c'est 16 jours d'activisme qui commence du 25 novembre c'est la date de la journée International pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes qui se termine le 10 décembre. le changement je dirais oui parce que suka san hannunsu a kin aikin sun fara ganewa a da wai jahilai su suke ɗaukan mu ganin su mu ne jahilai aikin da muke yi ganin su kamar dai muna so mai da yan mata yan matan banza ne kun gane mai yanzu da suka gani malamai sun fara sun fara kama muna ils ont commencé à comprendre vraiment le vrai sens de ce que nous nous voulons et ce que nous recherchons donc je dirais que ça avance vraiment mm. Mm ça avance to yanzu dai kun shi su wannan aikin da suke yi amma na fara da yake suka ce malamai sun kama musu tare ake wannan yakin abubuwa sun fara canza ana samun ci gaba za mu zuwa mu leka bangaren dandi cikin wannan shirin namu mu ji cikin rubrikin tashi da waye hira et on se reprend juste après il est fou sur la scène il répond au nom de DJ Machinga Dondi la machine ton frère te souhaite la bienvenue Merci, merci Dondi pour l'invitation. Ça fait réellement plaisir en tout cas de passer sur le plateau de, Studio Klangou et dans l'émission Tous à la Fara. C'est une première fois et merci beaucoup. Euh, on va donc permettre aux jeunes qui nous kiffent un peu partout euh, de savoir qui tu es véritablement. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, s'il faut résumer DJ Metchenga en une minute, euh, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'artiste, de l'animateur et du blogueur À l'état civil, on m'appelle Ibrahim Hamidou, a.k.a. DJ Machinga. L'homme est né en 13 février 1985. Euh, euh, euh, je suis parti à l'école, mais je suis pas parti très loin à l'école. J'ai juste un niveau troisième, voilà. après, je me suis payé quelques formations, voilà, en montage vidéo un peu. Je sais un peu monter quelques vidéos. Je un peu cadreur aussi quelque part, parce que tout ce qui est mariage, cérémonie, je fais aussi des images. Euh, vers 2002, je pense bien, on a commencé à rapper parce que le mouvement hip-hop s'est installé un peu à Niamey, au Niger. C'était de la nouveauté. On avait un peu la matière grise et on s'est lancé dans la chose avec quelques camarades, euh, Stylo, Abakara. On appelait notre groupe en ce moment Mazandaga dans les années 2002. Voilà, en 2003, on a pu enregistrer un prix maquette qui avait marché. Mungawasa, je me rappelle bien. Et il a fallu, après le groupe, ça ne va pas, tu, les groupes se sont dispersés, voilà. C'est un phénomène qui a fait beaucoup de groupes qui se sont disloqués. Mais nous, j'ai continué ma carrière en solo, on m'appelait La Santos, et j'ai pu enregistrer mon premier single en décembre 2005 avec Peto avant, avant qu'il ne parte euh, aux États-Unis. Un son qui parle sur euh, le travail des enfants. Euh, je disais dans le son Alpes au travail des enfants. Le son a été clippé en juin 2006 et le son a cartonné un peu partout, à Niamey. Le son a eu à passer sur RFI, je ne sais pas, une ou deux fois. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, DJ Metinga, a.k.a. Santos, a.k.a. Ibe, <laughs> était aussi artiste, hein, comme il l'a dit en 2005-2006, il a commencé. Alors, on va parler justement de cette carrière artistique dans mhm. cette émission. Qu'est-ce qui t'a amené dans le chant Qu'est-ce qui t'a amené à rapper à la base, j'étais réellement un homme culturel depuis l'enfance parce que en classe de ce 1 e CE2, e je partais même au CFM. J'ai même commencé à apprendre de la guitare avec John Sofa Après, j'ai arrêté. c'est pas aujourd'hui cette histoire. C'est pas aujourd'hui. Donc, j'aimais trop la musique et ah ah. je me suis lancé dedans. Euh, voilà. Waouh super. Alors, on sait aussi qu'à un moment donné euh, de l'histoire, l'artiste euh, s'est donné d'une manière ou d'une autre au monde euh, de l'animation. Mhm. Parlons un peu de la radio, parlons un peu de la TV, parlons un peu de tes débuts, de comment est-ce que tu as commencé aussi. C'est important de mentionner sur cette émission. je faisais la radio avant même d'être animateur sur scène. Voilà, l'histoire a débuté aussi, je ne sais pas c'était quelle année, où... Ou j'amenais deux radios. Mhm. Tu vois, non, il y a les trucs où tu écoutais la euh, FM et il y a là où tu mets rec et puis tu mets une cassette, voilà. Mhm. Et il a fallu, je sais pas, c'était quelle année, il y avait la radio Kakaki. Tu, te rappelles de Kakaki qui cherchait un animateur, j'avais déposé euh, mes dossiers là-bas. Ils m'ont pris, mais malheureusement, la radio n'a plus fonctionné ah avant même que je commence. Et après, là, il y a eu l'ouverture de la radio communautaire de Bukoki mhm. où j'ai commencé réellement et ensuite, j'étais sur euh, euh, après le départ de Castro, j'ai animé l'émission Midi Ambiance pendant euh, deux ans. Et récemment à la télé avec euh, la télévision Canal 3 Monde. Tout simplement. avec bien évidemment, euh, n'est-ce pas, cette émission qu'on appelle Affairage, 227. On va parler justement d'Affairage 227 parce qu'on sait aussi que tu d'une manière ou d'une autre l'animateur, hein, vedette, euh, n'est-ce pas, de cette émission qui passe déjà sur ta page. Ok, d'accord, ta page Affairage 227. Alors, Affairage 227, de quoi parle véritablement cette émission à la base, en fait, euh, j'avais voulu commencer l'émission à famille, mais il y a eu beaucoup de trucs, donc j'ai pas pu commencer. Je me suis dit, mais euh, je regardais trop, je suis présent sur les réseaux sociaux, je voyais des émissions qui se passaient. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas essayer sur ma page Et voilà, c'est parti. Je prends mon téléphone, je rencontre Dondi, on fait une petite émission, mhm. j'enregistre avec mon téléphone, je me fais le montage avec le téléphone et je publie deux, trois émissions, j'ai vu, les gens sont partagés, beaucoup ont aimé. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas continuer Et voilà, j'ai fait euh, pas mal d'émissions, j'ai rencontré pas mal d'artistes, pas mal de blogueurs ou ceux qui font réellement le buzz. Le but de l'émission, c'est un truc de 10 minutes, parler de l'artiste, faire la promotion de l'artiste faire connaître l'artiste et faire connaître aussi les projets de l'artiste et un peu de délire, tout ce qui se raconte autour de la chose ou bien tout ce qui se raconte sur l'artiste, sur les fadas. Euh, j'entends et je pose la question. L'artiste réellement il donne la réponse. Donc ceux qui pensent que Dondi, il y en a des Girmankai, voilà, Dondi va répondre. <laughs> Dondi va des Girmankai, donc tu vois, ils auront, réellement la réponse quoi, directement. <laughs> Tout à fait, je vois. alors DJ Matinga, nous sommes pratiquement donc à la fin, euh, bien évidemment de cette rubrique. Euh, et j'espère aussi que les jeunes qui kiffent cette émission à travers euh, nos radios partenaires ont retenu un certain nombre de choses, ok, d'accord, une certaine euh, information sur l'homme, l'acteur euh, culturel, l'animateur, l'artiste, l'homme qui touche donc à tout, comme on dit. Alors, s'il faut résumer pour dire un truc à l'endroit de cette jeunesse qui nous kiffe, alors quel serait ton mot pour qu'on puisse ensemble changer les choses, pour qu'on puisse ensemble faire sortir le nom du Niger via la musique, l'art, en amour. Euh, je pense que, en un mot, Baboukwana, la jeunesse doit se réveiller, donc euh, travailler. Tu dois avoir l'amour de ton pays, être un vrai patriote et vendre l'image positivement de ton pays à l'extérieur. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez certainement compris le message de l'artiste. On espère que tout ce qu'il vient à l'instant de dire n'est pas rentré dans l'oreille des sous. comme on dit. C'était donc DJ Maichinga. Moi, je l'appelle Santos. <laughs> Vous pouvez l'appeler Ibrahim. Sur l'artiste s'exprime l'angle en. Ce que la donne qui va changer. DJ Maichinga, tu peux me faire le check qu'on est des frères. Merci bien Dandy. On revient à la FADA. Aujourd'hui, il est question de la contribution des structures des jeunes femmes et des jeunes filles dans tout ce qui est lutte menée contre les violences basées sur le genre. Euh, des chiffres alarmants sur lesquels il fallait qu'on parle. On a profité de ces jours d'activisme pour installer la FADA aujourd'hui avec euh, Wassila Ibrahim, Oseini Kadidjatou, elle est scout, Garba Abdou Adama de la cellule nigérienne des jeunes filles leur Nous sommes avec Sheikh euh, Bachir qui nous accompagne également sur cette émission. Installé aujourd'hui à Gouti. yana an plan centre ville de Niamey zan ci gaba da tambayoyin nawa zan dawo ki wasila ya kuka ga aikin da gwamnati ke yi dan ganin bayan irin wannan musgunawar da ake ma mata tunda wannan aikin ba kuɗi kuke yin shi ba gwamnati ma tana iyakacin kokarinta amma dole ne mu tambaye ku tunda su ne dans un premier temps sincèrement moi je salue vraiment tous les efforts que fournissent nos différents dirigeants parce que c'est comme vous l'avez dit hein, sincèrement quand on veut un impact en chaque activité ou peu importe ce qu'on veut faire seul on ne peut pas avancer on dit seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin nos différents dirigeants sincèrement nos différents dirigeants les les chiffres parlent vraiment d'eux-mêmes et même vous avez vu tout, tout de suite à notre activité vous avez bien vu ils ont eu une grande représentation. ils étaient là. Ils accompagnent vraiment toutes ces personnes-là, tous ces jeunes qui se battent pour les droits, non seulement les droits humains, les droits des enfants et surtout pour la protection de la femme et des enfants. Ils sont toujours là et infrastructure, vraiment cela accompagne un da dama bisa infrastructure. Par exemple, dans les zones reculées là, hmm. mata, elles ont le droit, elles peuvent aller demander si par exemple elles ont des questions sur c'est quoi en fait, quels sont leurs droits, comment est-ce qu'elles doivent se comporter si elles ont des soucis dans leur foyer. Il y a vraiment des, points de hein. Ouais, Il y en a. Et puis, puis aujourd'hui, aucune association ou ONG ne peut vraiment actionner, ne peut travailler sans qu'il y ait l'accompagnement, bien sûr, du gouvernement. Sincèrement, il y a beaucoup d'impact hein, qu'on remarque. Il y a le changement. Bien sûr, on a une politique euh, nationale, carrément. Il y a so ki bani kamar ra'ayin ki bisa kan politik politique kin da aka dora batin yau ba ya a un article mi ya sur quoi il faut aller quoi il faut plus jouer Kano merci bien comme aussi là l'avait dit les efforts euh, de l'autorité sont vraiment appréciés euh, nous avons le texte le Niger fait partie des pays de l'Afrique de l'Ouest où vraiment on a assez, assez, assez, assez de textes et de, réglementations. Mais qu'est-ce qu'il faut faire Les textes sont là, il faut la mise en application de ces textes. Que prévoit la loi lorsqu'on répudie Que prévoit la loi quand il y a violence Le code de la famille est bloqué, euh, le l'autre de Maputo est aussi bloqué. Vrai, on n'a même pas un code de la famille au Niger, il faut le dire sincèrement, parce qu'on a dit, ah, le Niger est en majeure partie un pays où la, majorité sont des musulmans et que le code de, la famille va être en contradiction avec euh, les normes religieuses. Code de la eh. eh, na gida a yi aiki da realite mu Niger muke kasar da akwai musulmai akwai kristoci kamata ya yi kowa ya samu ya yi returven kanshi cikin wannan kwanci kowa ya samu ya qui se retrouve dedans mm. vraiment les, autres pays de l'Afrique de l'Ouest nous copient copient nos textes ils nous prennent pour exemple et eux ils arrivent à appliquer les textes nous chez nous on a les textes la loi est là elle doit être répressive quand il faut vraiment c'est juste ce que kenan ina gane ke da adama dai wannan tsarin da kundi kundi da takardu da Niger ta ta sinye ya kamata a ce ana aiki da su aiki da su madalla aiki da su na a ga armashin abu yanzu dai kun ga ta dago ta magana wannan kwadwe la famille ustaz kai a ganin ka forcement in aka dora wannan tsarin an cuta ma wani ko kaga yanda ake iya yi a samu kowa ya samu kanshi a ciki mhm. mummuna fahimta addini ce kamar da muka ce ɗazu amma zan son koma baya mm. kamar da kike magana kan mi wani ɗauki ne gwamnati take kawowa mm. na farko doki magana raskanuwa statistic na yi kokari ne na gwamnati haka nan masu hannu da shuni suke zuwa ptf shi ma kokari ne na gwamnati da sa hannu na ake tsakanin ƙasa da su tukuna su su taimaka mu to amma wannan bai hana in ce kamar tambayar da kika mun kan cewa kundi da ake cewa kundi na mata da makamantan irin wayannan wani bi akwai abubuwa guda uku wanda suke kawo matsala ba a yarda da shi na farko akwai sunan yanda ka ce ma mutum kundin mata a Nijar duk malamin da kaje kace na zo mu yi magana kundin sai ce ah, haram ne amma a nemi suna kamar yadda eh, Adama ta yi magana a samu wani suna da ke yazo zai zo daidai da al'adar mu da addinin mu misali a ce mudawwana mudawwana me yake ne da ita shine abin da ya kumshi wani dokoki aka ce mudawwana ta usra ko kuma mudawwana familial ana iya gane abu ne da ke ya shahi dokoki na zamantakewa na na biyu kuma eh na biyu kuma a yi ɗanɗanon shiga magana abin da ake ce ma introduction ko preface a yi bayani kan cewa wannan abin ya kumshi duka zamantakayya mu ta yau da gobe ta cikin al'adunmu na mu mazamna ƙasa kamar yadda ta faɗi wanda zai bada dama kowa samu kanshi a ciki. An ka ɗauki ah. eh, aƙida ta addini da musulunci da da kiristancin kika diba ba kamar yadda ah, najashi ne lokacin da musulmi suka zo mai daga makka su suka ta wari lokacin annabi iya makka da ya zo sha ta kurtu biyo ce mu da ku kamar haka ne wannan zamantakai da kuke da abin da kika san musulunci hana kiristanci hana shi musulunci bai ce ba ai zina kiristanci bai ce ba ai zina musulunci bai ce a kashe mutum ba kiristanci bai ce a kashe mutum ba in kika dauka mhm. hatta judaism abin da ake cewa monotheism kenan ma'ana addinan da ke an sauko da su daga sama wannan abin ganewa ne fahimta ta ce wannan abin da ya kamata gwamnati ta yi menene abin da ya kamata gwamnati ta yi ta nemi malumai wanda suke sun san al'amuran ta tattara su ina so saboda Allah ku gani menene dokoki na zamantakayya wanda zai samu tattara mori gidan zaman gidan gidan eh, moriyar zaman gidan armanta mhm. namiji shi ma ya mora kamar yadda Allah yake cewa Ah, waje ala bai nahun wadda rahama shi arme kamna ce da soyayya cikin shi mhm, mhm. amma da zama to arme zama to kiyayya ce an hutar ga bangaren shi kenan wannan ya kamata a diba na ɗaya kenan na biyu kuma ya kamata mu samu ƙarfin gwiwa wanda ke za a ba mutanen yancin a bangare na kungiya su iya tara wani abu wanda zai iya kawowa canza miyo ko conference ko kuma ya zamanto wani formation ko wani abu wanda zai iya badawa su ma wannan matasa na iya ba su dama su haka zo su yi nazari a bangare na musulunci mai matakin kaza a tattauna gobe a yi haka nan eh, sai a tattara shi gaba zai iya ba da dama a zaman an gudu tare an tsira tare. ina rinki wasila? Vraiment, ce que Cheikh a dit. Donc, c'est pour dire qu'en fait, il faut pas oublier que le changement est un processus. Si on se dit que, comme, ah, wannan yana ɗaukan tsawon lokaci, mm. mais abu mai ma'ana dole, komi lokacin da yake ɗauka, dole a zamna a eh. tattauna il faut aller dans les détails près parce que toutes ces questions là c'est les, justifications que d'aucuns se donnent là c'est vraiment dans les détails près. Et il faut qu'on s'asseye, qu'il y ait une représentation de tout le monde. Toutes ces couches-là que cela touche, il faut que tout le monde soit autour de la table. chaque religion, ya da a comment on va mettre ça en œuvre quelle sera la couche qui va beaucoup plus vulgariser les textes là et comment aider pour l'application parce que eh, donc il faut décentraliser les choses et pour cela vraiment gardons en tête le changement est un processus et les bonnes choses en valent vraiment la peine qu'on prenne du temps sur ça parce que si on regarde bien le, résultat final ça ça marche en fait sur tout, sur tous les plans regardez s'il y a des problèmes concernant le foyer. Regardez sur quoi ça touche. Ça touche à la fois les enfants, ça touche la femme, ça touche le boulot, ça touche l'économie, ça, ça touche, ça tout, le, monde. Tout le monde. Donc, si on prend vraiment en compte ces détails-là, on va résoudre tous les problèmes qui nous minent, tous les défis auxquels nos sociétés font face. Mais c'est malheureusement ce qu'on ne fait pas. De on ne peut pas commencer aujourd'hui dire que demain en année. Auparavant, on ne peut pas rester ici. Il y aura, euh, on aurait dû trouver ici parmi nous des extrémistes qui vont venir nous empêcher de parler. <laughs> Mais aujourd'hui, il y a un consensus ouais, qui se présente clair. et c'est très important. To, yanzu dai kun shirya da muke nan gai tare da wa'annan wanda muka gayyato a yau a nan guntiye na. Ka in ci gaba da wannan hira. Kun san shirin namu na yi muna shakata ne. Mu shakata da wata waƙa da za ku bani a cikin ku. Mata de Soga, bien sûr. To. On va écouter Mata de Soga et on se reprend juste après sur tout ça la fada. Une chanson, euh, un big up à toutes les femmes. Aujourd'hui, à la d'ailleurs, il est question de la contribution des structures des jeunes filles sur tout ce qui est lutte menée contre les violences basées sur le genre, sur le terrain. Avec eux, on voit tout ce qui est fait et ce qui reste à faire. Merci beaucoup. Mhm. Et pour clôturer, je veux rejoindre ce que Tonton et Cheikh a dit tout à l'heure. Il dit de, de savoir comment passer nos messages. Voilà. Moi, je dirais plus de d'adopter nos messages selon les réalités de chaque euh, localité. Par exemple, quand tu pars à Tilabéry, il faut essayer de, de, te mettre dans leur corps et passer ton message de la façon la plus facile qu'ils vont comprendre. Quand tu pars à Difa, idem. Il faut t'adopter à leur milieu et adopter tes mots au contexte culturel et social surtout traditionnelle, parce que là, ils seront obligés, ils vont même se donner à toi. C'est même pas toi tu vas parler, mais au contraire, c'est eux, ils vont faire le débat à ta place. Donc, ça veut dire que c'est son réalité. Parce que ça, là, c'est pas chose facile. Il faut savoir où tu vas vraiment connaître. Pour pouvoir euh, défendre et puis échanger avec eux. Parler des actions que mènent les structures des jeunes filles et femmes euh, pour lutter contre les VGB, mhm. il faut les dire depuis bien avant même le lancement de ces 16 jours d'activisme, les associations des femmes et des jeunes filles leaders sont en train de mener des actions sur le terrain. Je fais un big, eh, up à New challenge de l'autre côté, il y a eh, la GFR qui est là et aussi, il y a la cellule qui est là, les cogéfiles. Tout récemment, il y a une coalition qui a été mise en place, coalition des femmes et filles leaders de lutte contre les violences basées sur les gens, dont j'appelle toutes les associations et structures féminines d'adhérer. Les femmes, enfin, ah, c'est la chance qu'on a eue, c'est d'avoir maintenant vraiment des marabouts qui ont étudié, qui ont encore étudié l'islam, pas l'islam extrémiste ou ils ont vraiment étudié l'islam et ils sont en train de l'adapter au contexte dans lequel nous vivons. Vraiment un big up à ces, marabouts qui sont toujours ouverts, mais je pense que ça reste beaucoup, beaucoup à faire. Euh, la lutte doit vraiment être plus accentuée sur les droits de la femme, sur le droit de l'enfant et surtout sur euh, la vulgarisation des textes religieux et des textes juridiques. Parce que tant que tu ne maîtrises pas ces textes, c'est toujours, je m'excuse du terme, ah, c'est toujours de la merde qu'on va servir aux uns et aux autres. Donc le combat va toujours revenir au même point de départ, vous voyez. Donc vraiment connaître les textes juridiques, vulgariser ces textes juridiques. Heureusement, nos marabouts ont commencé à comprendre et à changer la méthode d'approche. Vraiment, ils sont en train d'adapter pour faire comprendre aux uns et aux autres sens de la religion. voilà, je les appelle vraiment à s'orienter vers le même combat merci à toi, merci à tous nos invités qui étaient là. Et euh, ce débat riche, c'est grâce à vous que nous, on arrive à trouver de la matière et à en parler dans tous nos médias partenaires. Donc, on glisse doucement vers la fin de cette émission, mais avant de dire au revoir officiellement à nos invités, euh, j'accueille Olivier qui nous vient ici avec sa chronique et on se dit bye bye juste après euh, la chronique. Amis auditeurs et auditrices, bonsoir. Ce soir, nous allons parler du Fonds national d'appui aux petites et moyennes industries, en abrégé le FONAP. Dans l'aventure entrepreneuriale, la question financière revient le plus souvent. Au Niger, plusieurs entrepreneurs vous diront Je veux entreprendre, mais je manque de financement. Si, selon plusieurs personnes expérimentées, la question de financement ne vient qu'après plusieurs efforts et processus, il est clair qu'on ne peut entreprendre sans financement. Et c'est cela le rôle du Fonds national d'appui aux petites et moyennes entreprises. Selon le décret de création, il a pour mission de contribuer à la transformation de l'économie nigérienne en soutenant la création des PME et PMI dans des secteurs de plus-value. Rechercher et de mobiliser les ressources pour le financement direct et indirect des petites et moyennes entreprises et petites et moyennes institutions favoriser l'accès des PME et PMI au financement bancaire ou autres organisations de crédit à travers les garanties et les bonifications. La mise en place de ce fonds est un vœu réalisé de l'Association nigérienne des jeunes entrepreneurs. Pour les entrepreneurs, le prochain défi sera les conditions d'accès au fonds. Pour le moment, on n'en sait pas trop et nous allons clore cette chronique sur ce dernier point. Comme toujours, paix, lumière, amour sur vous. One love. Bye bye la fin de tout ça, la fin de la français ça Merci à nos invités qui euh, nous ont dotés d'un riche débat. On en sait encore plus. Et euh, la lutte continue, comme l'a dit Adama, main dans la main, en synergie. Comment on doit en Il kowa a sa hannu cikin hannu in aka samu aka yaƙi wannan annobar aka samu ci gaba kowa za a jin daɗi genre une femme heureuse et épanouie c'est une mère heureuse et épanouie voilà gobe za su ci gaba da abokin aiki na don di za su hira bisa kan matakan da ya kamata a dora kuma da kiyane za a yi a samu sakamakon kirki na dukkan wannan yakin da ake ta yi sai mu ci a huta lahiya